en tant que maire et sportif, je dois être là. Donc, je suis venu apporter mon soutien euh, donc, euh, devant cette population il est très collé. Donc euh, Moudlo c'est l'homme des grands jours. Et dimanche, Inch'Allah, nous prions que Dieu lui donne la victoire hein, de fort belle manière, Inch'Allah. Supporterie, moi nous nous avons supporters discipline nous avons ak fair play avec sportivité nous ton ton, tontu ñu bañ a hein. ah wut doo xeex euh, da ngay da ngay tànqamlu donc loolu la ñuy ñaan ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay ñu ànd dans la discipline dans la sportivité moytu lépp loo xam ne day lore ci yoon bi ah, ah agression banditisme képp koo xam ne loolu moo la tax a ñëw ñu bañ a ànd ak yow ñu dem nag ànd ak dynamisme incha allah bu arbitre sifflé combat ñu nekk suñu derrière suñu di suñu suñu suñu mbër. comme depuis 10 ans que je suis maire subvention financière soutien pour le combat t-shirt euh, ticket on fait tout voilà. absolument comme toujours on l'a toujours fait voilà.